Nous sommes jeudi 4 janvier 2024. Chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous recevoir chez vous euh, pour notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Rekia Arimi et avec moi Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien Rekia et toi Bien aussi. La technique est assurée par Mustapha Yuba et Adam Adawaki à l'édition. Super, alors quel est le menu d'aujourd'hui Comme vous le savez euh, déjà, Le Niger sur Kalangou, c'est d'abord les informations avec le flash qui sera présenté aujourd'hui par Nafisa Adamou. Ensuite, la musique avec notre sélection 100% nigérienne. Et eh oui, à notre émission Le Niger sur Kalangou, c'est aussi des reportages et des portraits en Niamey ou en région. D'ailleurs, l'écho des régions nous fait découvrir aujourd'hui un artisan, mais pas n'importe lequel. Celui qui a la charge de fabriquer les sabres trophées de la lita traditionnelle. N'oublions pas les chroniques sport et loti. Nous, terminons, nous terminerons avec le message de nos auditeurs. Mais avant tout, nous sommes avec un invité dans ce studio en la personne M. Emmanuel Alfred Koubagé, président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et droit de l'homme, Raza Press, dih 2 h Il nous entretenir sur les questions relatives au droit des conflits armés, des conflits armés ou droit international humanitaire. C'est parti pour une heure d'antenne. À présent, nous invitons suivre, nous vous invitons à suivre plutôt le flash d'information avec Nafissa Tamo Serfo. Bonjour Nafissa. Bonjour Akia, bonjour Mariam. Bonjour Nafissa. Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du braille, un moyen de communication essentiel pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Il s'écrit à l'aide d'un alphabet tactile. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souffrent les aveugles et les malvoyants. Au Niger, les conditions d'études de cette frange de la population restent alarmante compte tenu de la spécificité de leurs moyens d'apprentissage et des ressources humaines insuffisantes. Au Niger, les autorités de la transition veulent rétablir les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD dans les écoles primaires. Elles ont été supprimées en 2013. Le rapport final des travaux du comité chargé de réfléchir sur sa réinstauration a été remis hier à la ministre de l'Éducation nationale. Ce rapport a relevé un taux élevé d'exclusion en classe de 6e à hauteur de plus de 40% et un faible niveau scolaire. Enfin, Kadri Abdoudi Issaq le champion de la 44e édition de la lutte traditionnelle, est rentré au Bercail à Dosso ce mardi. Un accueil chaleureux lui a été réservé par les autorités administratives et coutumières ainsi que toute la population de la région. C'est ici que prend fin ce flash. Merci, le fils bonne journée. bonne journée à vous. Nous l'avons annoncé euh, à l'antenne de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Emmanuel euh, Alfred Koubagé, qui, le, qui je, le rappelle, il est juriste, conseil et consultant. Il est le président du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire et droit de l'homme, Razapresse, DIH, DH. Bonjour Alfred et merci de nous honorer de votre présence. Bonjour. C'est moi qui vous remercie. <laughs> Avant de rentrer dans le vif du sujet consacré au droit international humanitaire et aux droits de l'homme, savourons d'abord à cette musique le titre Kabu Kabu de l'orchestre Kézban de la Cominac. Kabou Kabou, je pense qu'aujourd'hui au, Niger, tout le monde euh, sait ce que cela veut dire, mais pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit de taxi-moto. À sa création, tous les membres du groupe Yes selon les sources, étaient des salariés de la compagnie minière. Ils jouissaient aussi de certains avantages Accordé aux agents, comme par exemple le logement. Ça, c'était avant Rekia, puisque la mine a saisi sa production après près de 50 ans de service pour dire que les choses ne sont plus comme avant maintenant. Et maintenant, chers auditeurs, place à notre invité du jour. Je rappelle Emmanuel Alfred Koubagé à avec sa structure euh, engagée dans la promotion des droits humains. Alors, euh, monsieur Alfred, vous faites la promotion du droit international humanitaire et du droit de l'homme. Quelle est la nuance entre les deux Alors, euh, merci beaucoup pour l'invitation. je voudrais vous féliciter pour cette initiative, je voulais dire cette émission, mhm. qui est un cadre qui nous permet, euh, en tant qu'acteurs euh, de promotion et de diffusion du droit international humanitaire, de pouvoir apporter également notre modeste contribution dans l'éducation juridique citoyenne des populations, mhm. afin de leur permettre de comprendre certains concepts du droit et en général euh, du droit international humanitaire que nous nous évertuons à promouvoir depuis euh, pratiquement 2014. Merci alors, une fois de plus, pour cette invitation. Je Eh bien, euh, je vais dans un premier temps euh, peut-être présenter le Raza le Raza Press DIHDH, que nous représentons ce matin. Donc, c'est une organisation qui a pour but de promouvoir et diffuser le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Mhm. Nous faisons cette promotion à travers une série d'activités telles que les conférences débats, les séminaires de formation, mhm. les ateliers, les colloques scientifiques. Mhm. Vous avez également les concours de plaidoirie que nous organisons. Tout ceci entre dans la droite ligne de la promotion du droit international d'humanité et du droit de l'homme. Voilà donc euh, pratiquement ce que nous faisons au niveau du Raza DIH DH. DIH DH. Alors, et la différence Si on revient à, votre question, mhm. euh, la différence entre le droit international humanitaire et les droits de l'homme. Il faudrait que tous les deux, que ce soit le droit international humanitaire ou les droits de l'homme, visent à protéger l'être humain. Mais seulement c'est le champ d'action qui diffère. Les droits de l'homme interviennent en tout temps, que ce soit en période de conflit, que ce soit en temps de paix, les droits de l'homme doivent être protégés et sont protégés. Mhm. Mais par contre, le droit international humanitaire, quant à lui, s'applique pendant les temps de conflits armés. Mhm. Mhm. Donc vous voyez que le champ d'action, il n'est pas le même. Les droits humains s'appliquent en tout temps, en temps de paix comme en temps de conflit. Mhm. Alors que le droit international humanitaire, ici, s'applique dans les situations de conflits armés. Voilà la nuance que je peux vous proposer ce matin. D'accord. Alors, pourquoi certaines préfèrent l'appeler droit des conflits et d'autres droit international humanitaire à DIH Oui, euh, vous avez bien fait de <laughs> poser cette question parce que, en fait, on entend dans les expressions, tantôt, certaines euh, personnes disent droit international humanitaire, mhm. mais vous allez entendre d'autres parler du droit de guerre ou droit des conflits armés. Souvent, euh, ceux qui ne sont pas habitués à ce concept peuvent penser qu'il s'agit de plusieurs disciplines, mhm. alors même qu'il n'en est rien. Il s'agit de la même discipline, c'est la même thématique, mhm. mais seulement c'est l'appellation qui diffère. Mhm. Alors, les universitaires, c'est-à-dire les doctrinaires, les enseignants, préfèrent, ou bien le monde universitaire de manière générale, préfère l'appellation du droit international humanitaire. Alors que quand vous allez euh, dans les milieux militaires, qui sont différents des cercles académiques. Donc les cercles académiques parlent du droit international humanitaire, mhm. dans l'enseignement, etc. Dans les écrits, dans les livres, vous allez plutôt trouver cette notion du droit international humanitaire. Mhm. Mais quand vous revenez cette fois-ci dans un cercle purement militaire, on préfère parler du droit de la guerre. Et vous comprenez avec moi que quand vous allez en milieu militaire, le droit de la guerre s'y est beaucoup plus que le droit international mhm. humanitaire. Voilà, donc en fait c'est un peu ça. Donc ça dépend des écoles. Les militaires parlent de droit de guerre, droit de conflits armés, alors que les doctrinaires, les enseignants préfèrent parler de droit international humanitaire. Mm. Voilà un peu euh, ce que je peux vous dire par rapport à cette question. Et, mais c'est Alfred, euh, quand est-ce que le droit international humanitaire s'applique Ok, donc je reviens un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure. Mm-hmm. Et c'est dans la nuance entre le DIH et les droits de l'homme. Donc, le droit international humanitaire s'applique pendant les situations de conflit armés. Quand il y a la guerre, automatiquement le DIH est déclenché. Si vous voulez, c'est comme euh, euh, l'antivirus sur votre ordinateur. Mhm. <laughs> Dès qu'il y a un virus qui rentre, eh bien, euh, l'antivirus s'active. Et puis, il essaie de, prendre en charge ce, virus. Donc, le droit international humanitaire est là. Donc, je voudrais peut-être ouvrir une petite parenthèse pour vous parler du contenu de, ce droit international humanitaire. Mhm. Il faut dire que, par définition déjà, le DIH, c'est un ensemble de règles qui, pour des raisons purement humanitaires, mhm. vise visent à protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus au conflit armé. Ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, ont pour objet de protéger les personnes qui, avant participé à la guerre, mais qui ont arrêté, ou bien les personnes qui ne participent plus à la guerre, ou qui ne participent pas à la guerre. Mhm. C'est en fait ça la, nuance entre, ou bien la définition qu'on peut donner du droit international humanitaire, mais aussi le DIH a pour objectif de limiter le choix des moyens et des méthodes de guerre. Parce que, aujourd'hui, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, vous ne pouvez pas empêcher aux États de faire la guerre. Vous ne pouvez pas empêcher aux gens de faire la guerre. Mhm. Mais, devant cette incapacité d'interdire la guerre, le DH dit, bon, je prends acte de mon incapacité d'empêcher les États de faire la guerre. Mhm. Mais qu'est-ce que je peux faire Je peux par contre prendre un certain nombre de textes, mettre en place un certain nombre de normes afin de réglementer la guerre. Par exemple, dans un conflit armé, quel bien on peut toucher, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis mhm. dans le cadre de la guerre, pour que la guerre soit la plus saine possible. Mhm. Voilà l'objectif du droit international humanitaire. Protéger les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus à la guerre, protéger les populations civiles, mais aussi limiter le choix des moyens et méthodes de guerre. Si vous voulez faire la guerre aujourd'hui, vous n'êtes pas autorisé, vous n'êtes pas libre de choisir les armes que vous voulez. Parce que il y a dans la réglementation des armes qui sont interdites, notamment les armes chimiques, les armes, les armes euh, à sous-munitions, les, bombes atomiques. c'est autant de choses qui sont réglementées dans, la conduite de la guerre. Donc voilà un peu ce que je, peux vous dire euh, par rapport à cette question. Et quelle est la situation au Niger en général euh, et notamment dans les zones en proie à l'insécurité ben, euh, je crois que sur le théâtre des hostilités, mhm. on constate que euh, les conflits se déroulent. L'État du Niger est depuis un certain nombre d'années mhm. en guerre avec les groupes armés non étatiques. Et c'est une réalité euh, que nous constatons. Et nous voyons aussi que les forces de défense et de sécurité euh, mène cette, euh, cette guerre contre les groupes armés non étatiques. Mhm. C'est un constat, vous pouvez le constater aujourd'hui euh, avec, avec nous. Donc, dans le cadre de, de, ce conflit, ou bien dans le cadre de cette guerre mhm. que le Niger mène contre les groupes armés non étatiques, il y a un certain nombre de principes qui régissent la conduite de la guerre. Et quand vous constatez également, ce n'est pas seulement au Niger, c'est un peu la même situation quand vous regardez euh, au Mali. L'État malien est également en guerre contre les groupes armés non étatiques. C'est un peu le cas également au Burkina Faso. Donc le conflit est, est là et il se déroule. Merci, M. Alfred. Avant de poursuivre nos échanges euh, sur comment et votre organisation contribue à la promotion des droits humains. Marquons une petite pause avec notre talentueuse chanteuse euh, euh, Marie Diallo avec son titre Irtra dans sa soirée VIP, une collaboration avec la rappeuse nigérienne Kos Chocolat. Je fais danser la capitale avec mes flots. Tous mes gars sont chauds sur la piste, sur le feu. Soirée vive viens, on va célébrer. Ne faites pas les morts dans le club, c'est gâté. Ils m'ont dit de pas lâcher, donc je force l'entrée. Je me sens un peu bizarre, comme de larmes fâchée. J'achète mes soins, n'en déboutez pas cher. Diallo, my name, je me prends pas la tête. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est validé. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, t'es où là eh, ben, Mais qu'est-ce que tu fous à la maison On est là, la soirée, on t'attend là. Ah ouais, tu es à de la Eh, écoute le bruit. Tu entends Il y a de la chicha et de la vodka, meuf. Allez, bruit, toi C'est jusqu'au petit matin, DJ, vas-y, le son. Niamé va bien comme Paris-Centre. L'équipe m'a validé sans prise de tête. Je mets son well sur la piste de danse. Welcome, welcome dans la partie. Danse, danse, move, move avant de partir. Prends un selfie avec un sourire pour un souvenir, c'est ça la belle vie. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est validé. Danse, danse, ce soir c'est VIP. Allez, woumé, woumé, ce soir c'est validé. Danse, danse, ce soir c'est fait. C'était la soirée VIP des diallo en collaboration avec la à chocolaté. Retour au studio avec notre invité du jour. Alors, à euh, Monsieur Alfred, les enfants sont particulièrement vulnérables dans les conflits armés. Comment les droits internationaux humanitaires protège-t-il ces enfants Oui, euh, il faut dire que le DIH accorde une place particulière aux couches vulnérables ou bien à la protection des couches vulnérables que sont euh, les femmes et les enfants. Et c'est pourquoi quand vous prenez les conventions de Genève, notamment la quatrième convention de Genève du 12 août 1949. Parce que il faut dire qu'il y a euh, quatre conventions, qu'on appelle les quatre conventions de Genève. La première convention vise à protéger les blessés et les malades mhm. hein, des conflits euh, sur terre, la deuxième euh, sur mer, la troisième protège les prisonniers de guerre et la quatrième convention protège les populations civiles. Eh bien, quand on parle des populations civiles, on parle de ceux-là qui ne prennent pas les armes, on parle de vous et moi, parce que nous ne sommes pas sur le théâtre des hostilités, mhm. eh bien, nous sommes protégés par la 4 Convention. Mais attention, le jour où vous, en tant que civil, vous prenez <laughs> les armes pour participer à la guerre, eh bien, vous perdez votre protection de civil, parce que vous êtes parti au conflit. Donc, nous parlons des personnes civiles qui ne participent pas à la guerre. Et parmi cette tranche, vous avez les femmes et les enfants. C'est pourquoi le droit international humanitaire protège les femmes contre, par exemple, les viols. Parce que vous savez que quand un conflit se déroule, tout est possible. On a eu récemment des cas où, sur le théâtre des hostilités, on a entendu parler de la violation des, femmes, des filles, etc. Donc, euh, vous voyez que, ici, les femmes doivent être protégées, leur dignité doit être protégée, leur euh, intégrité physique et morale doit être protégée contre les viols, contre les abus, contre l'exploitation sexuelle de toute nature. Voilà autant de protections que le DH accorde, non seulement aux femmes, mais aussi aux, aux enfants. Mhm. Les enfants également doivent être protégés sur le théâtre des hostilités ou bien pendant les conflits armés. Les combattants doivent en tout temps faire la distinction entre combattants et non combattants. Ah, c'est le principe de distinction qui est un principe majeur entre droit et humanitaire. Et c'est au nom de ce principe que les femmes et les enfants doivent être protégés parce qu'ils sont distingués des combattants. Et au-delà des femmes et des enfants, les populations civiles de manière générale. Et quand vous prenez, bon, je vais extrapoler pour aller un peu plus loin, au-delà des femmes et des enfants, vous avez également les personnes âgées qui doivent être protégées. Et parmi euh, ces personnes âgées, vous avez des personnes qui ont du mal à se déplacer. Imaginez quand la guerre éclate. C'est des personnes qui n'ont pas la force physique pour pouvoir fuir, pour s'échapper. Donc ces personnes doivent être protégées. Mais vous avez également les personnes vivant avec un handicap. C'est des personnes civiles qui ont également besoin ou bien qui bénéficient de la protection que leur accorde la 4e Convention de Genève de, 1949. Donc schématiquement, je vais dire tout simplement que quand il y a la guerre, les populations civiles tant qu'elles ne prennent pas les armes, elles doivent être protégées et elles sont protégées par le droit international humanitaire. Leur protection se perd quand elles participent à la guerre ou bien quand elles prennent les armes. Et Monsieur Alfred, en cas de violation des droits, comment les victimes peuvent elles euh, faire recours Bien, euh, ici je m'en vais vous lire euh, une règle importante en droit international humanitaire. C'est la règle numéro 158 du droit international coutumier. En substance, euh, je vous lis cette euh, règle 158. Elle dispose que les États doivent enquêter sur les crimes de guerre qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par leurs forces armées sur leur territoire et le cas échéant éternellement les suspects. Ils doivent également enquêter sur les autres crimes de guerre pertinents de leurs compétences et le cas échéant poursuivre les suspects. Cela veut dire quoi Ça veut dire que la règle 158 du droit international coutumier donne ou bien fait obligation aux États d'enquêter d'une part sur les crimes qui auraient été commis par leurs ressortissants ou par les forces armées sur leur territoire. Si par exemple l'État constate qu'il y a des violations du droit international humanitaire, la violation du droit international humanitaire, on peut l'appeler crime de guerre. Par exemple, le fait de s'attaquer aux hôpitaux, aux écoles, aux infrastructures nécessaires à la survie des populations, aux points d'eau, etc. Ça, c'est des crimes de guerre. Si, dans le cadre de la guerre, l'État constate qu'il y a ces violations, eh bien, cette règle 158 fait obligation à l'État de poursuivre les auteurs de ces crimes de guerre. Vous voyez Donc, et également, les suspects, s'ils ne sont pas, ils n'ont pas été trouvés, les suspects les poursuivent éternellement ou les crimes de guerre pertinents de leurs compétences, le cas échéant, poursuivre les suspects. Donc, en un mot, l'État a compétence pour poursuivre les auteurs des crimes de guerre sur son territoire. Merci, Monsieur Alfred, d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons une, excellente, journée. journée. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. C'est le moment pour nous d'attamer notre rubrique éducation numérique du jeudi aujourd'hui. Elle est consacrée à un sujet qui concerne un bon nombre de personnes. Bonjour Osu. Bonjour Akia. De quoi s'agit-il exactement Alors, euh, donc aujourd'hui, euh, nous abordons un sujet important évoqué par une récente étude de la CNIL euh, concernant le partage de photos d'enfants sur les réseaux. Donc la CNIL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui est une institution en France. Mais évidemment, euh, euh, son étude a une peut avoir des corrélations au Niger, donc c'est pour ça qu'on va en parler. En effet, cette étude met en garde contre les risques bien réels liés à cette pratique. Peux-tu nous en dire un peu plus sur les dangers signalés par la CNIL alors oui, donc la clean euh, déconseille fortement de partager des photos ou des vidéos d'enfants sur les réseaux sociaux, surtout si le profil est public. C'est-à-dire si votre compte Facebook ou bien si votre compte Twitter partage des photos, des contenus en public. Donc les risques sont multiples. Déjà, hein, en 2018, ça fait plusieurs années, il y a le bureau anglais euh, du commissaire à l'enfance qui avait examiné les données personnelles des jeunes, constatant qu'entre 11 et 16 ans, ils publient en moyenne 26 fois par jour sur les réseaux sociaux. Donc, donc ils ont fait le décompte et à l'âge adulte, on a remarqué que euh, les Jean totalisait près de 70 000 publications susceptibles d'influencer évidemment la manière dont ils sont ciblés par les euh, entreprises pour la publicité, etc. De plus, les membres de leur famille contribuent également à cette exposition avec une moyenne de 1300 photos publiées par les parents avant que les enfants n'atteignent l'âge de 13 ans. La faute aux 53% des parents et proches qui partagent de plus en plus des contenus liés à leurs images euh, rappelle une étude britannique de l'Opinion et l'Observateur de la euh, parentalité de l'éducation numérique en cette fin d'année. Alors, Oussou, quels sont les risques Alors, tout d'abord, les images, on a vu, j'avais fait une chronique déjà il y a quelques mois mhm. euh, sur une étude que les États-Unis avaient sortie. Donc, les images ici, elles peuvent être détournées à des fins malveillantes. Donc, des individus qui sont mal intentionnés peuvent les utiliser pour créer de faux profils, euh, pour partager les, images sur des sites inappropriés voire les diffuser sur des réseaux pornographie euh, infantile, donc des réseaux pédophiles pour être clair. C'est vraiment préoccupant. Y a-t-il d'autres risques à mentionner par la CNIL alors, les photos partagées peuvent également révéler des informations sensibles sur les enfants, comme leur localisation, leur centre d'intérêt, voire les lieux qu'ils fréquentent. De plus, la création d'une identité numérique dès le plus jeune âge peut avoir des conséquences sur leur vie future une fois qu'ils sont adultes. Donc l'organisation indique également euh, que régulièrement, par exemple, elle est saisie par des plaintes émanant de mineurs ou de jeunes majeurs donc, qui ont grandi afin de faire retirer des contenus euh, qui sont des photos, des vidéos ou des enregistrements euh, vocaux postés sans leur consentement par leurs parents. Et c'est possible euh, de disparaître sur la toile euh, comme si on n'a jamais existé Alors, disparaître sur la toile, dès que vous avez un téléphone et une connexion Internet, c'est plutôt compliqué, c'est hyper difficile, c'est pratiquement impossible. Mais en Europe, depuis le RGPD, euh, le règlement général sur les données personnelles qu'ils ont institué en 2016, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé le droit à l'oubli numérique. Donc, par exemple, moi, je suis une personne lambda, je m'appelle Isaac Omorou il se peut que des gens un moment dans ma vie, j'ai posté du contenu que je n'aimerais pas euh, que les gens voient aujourd'hui. Mhm. Donc, je peux demander qu'on le supprime. Mais attention, ce n'est pas une suppression. C'est une demande de déférencement. Ça veut dire qu'on va dire à Google, OK, chaque fois que les gens font des recherches sur mon nom, il ne faut pas afficher ces résultats-là. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire donc que les médias qui ont écrit des articles sur moi, ben, je n'aurai pas ce droit-là sur eux. Le contenu va continuer à exister. Et c'est pas possible aussi de faire la démarche pour des gens, des personnalités publiques. Parce que euh, il y a aussi les citoyens ont le droit de savoir euh, ce que quelqu'un, une personnalité publique a fait dans, son passé pour voter pour elle. Mhm. Donc ça existe, c'est pas disponible chez nous, mais de toute façon c'est assez relatif. Alors, euh, Ousmane, quelles sont les bonnes pratiques que la CNIL recommande pour éviter ces dangers Alors, tout d'abord, elle dit qu'il faut privilégier les messages par messagerie instantanée courriel ou MMS. Bon, les MMS, évidemment, aujourd'hui, personne n'utilise, mhm. plutôt que sur les réseaux sociaux. De plus, il faut toujours demander euh, l'accord de votre enfant et de, surtout de l'autre parent <coughs> avant de publier la photo. Il faut aussi éviter de partager des photos euh, qui sont liées à l'intimité de l'enfant. Par exemple, un enfant à moitié vêtu ou pendant qu'il prend son bain. De, et il recommande aussi de dissimuler le visage. Donc, il faut flouter le visage. Euh, la photo, le, le, le, visage de l'enfant ou le prendre de dos ou mettre des émoticônes sur le visage mhm. avant de publier. Et ce sont des conseils utiles. Qu'en est-il de la sécurisation des comptes de nos réseaux sociaux Alors, on peut aussi euh, paramétrer ces comptes de réseautage social pour que les contenus ne soient pas très très visibles. Donc il faut verrouiller vos comptes sur les réseaux, réduire la visibilité de vos publications et faire régulièrement le tri dans vos abonnés. Donc euh, quand vous regardez la liste de vos amis, il y ben, en a qui sont plus actifs, qui sont même plus peut-être vos amis qu'il faut virer. Mhm. Alors sur smartphone, vous pouvez configurer donc sur votre téléphone personnel les paramètres de confidentialité de votre compte pour limiter la visibilité de vos publications Merci pour ces recommandations. Ousmane, parlons maintenant des droits de l'enfant. Alors, depuis 1989 déjà, il y a eu la Déclaration universelle euh, des droits de l'homme qui indique que chaque enfant en fait a le droit de préserver son identité et sa vie privée. Les photos, les vidéos de vos enfants sont considérées comme des données personnelles et on insiste sur le respect de leurs droits numériques. Et quels sont les, ces droits, Ousmane Alors, les parents, exercent en principe, euh, les parents exercent en principe un droit sur leurs enfants, en Europe en tout cas, euh, sur les droits des mineurs. Mais la CNIL, elle estime que les enfants doivent pouvoir agir directement sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont notamment le droit à l'effacement, à la rectification et à l'opposition. Hmm, merci, Ousmane. pour toutes ces informations capitales. Soyons vigilants lorsqu'il s'agit de partager des photos des enfants sur les réseaux sociaux. Exactement, et n'oublions pas que la technologie doit toujours s'accompagner d'une certaine responsabilité. Mhm. Le Niger sur Kalangou se poursuit et c'est de la bonne musique que nous vous offrons du lundi au vendredi à nos auditeurs. À présent, on vous laisse kiffer Daga Mousse Mou <laughs> de featuring avec DJ Soul. bari kuri musanjuna diga musaimo akise mutapwa seimo muna pati muna jin muna pati muna shagadi. ya muke mi muke suna ganin mu suna son su san sirrin mu diga musaimo mu sha diga C'était daga Moussemou de DJ Soul en featuring avec Abel Zamani, qui à présent direction à Gadeza pour découvrir le travail de Hamidan, un artiste forgeron, n'est-ce pas Oui, Mariam, durant ces quatre décennies, il a eu le privilège de fabriquer le sable national, le trophée du championnat de la lutte traditionnelle au Niger. À la forge de l'histoire, le métal doit une pièce devienne une pièce maîtrise maîtresse de l'identité nationale. Issa Hamidou est interrogé par Asman Aboubakar. Mala Isa Hamida, menene ya sa kuka shiga cikin wannan aiki na kera takuba? Aiki na wanda na gada kakanni da uwaye shi ya gada ta takuba. Asali ne ya taso tun daga zamanin manzon Allah. da duk yakin da kaji an ce an yi yakin zamani na annabi da shi da kafirai duk sahabbai ne takuba na suka aiki da shi. manyan mutane na garin gama akwai maye maye masu daraja duk ta kuba gare su kuma duk ni Allah gyara su ni ki gyara su waɗanne karufa kuka fi amfani da su wajen kera takuba da nika takobin kokowa farkon shi duk na boros na wanda kantu ya ciwo agaras shi na fara da azurfa wace shekara ta fara kera takuba don 'yan kokowa ni in fara takobi na kokowa tun zamanin garba sadiku sarkin ne sani shi ne ministirkin janar sport asalin shi kasan kun cewa da shiki na ruwa ne da kulle-kulle da wata dubara wadda ba ta gaskiya ba da magana ka ma sai shiga ne ka magana ka ba ta gaskiya ta ba an ka sani takobi an ka ce in yi takobi zamanin sadiku in yi takobi na gargajiya na irin sarakuna haka nan na zaka na yi shi na yi mai aiki samfur ke shi yanzu sai wani an kasa shi ya yi takobi sai ya yi na zamani to inda allah sa na ci shi galaba ko da an ka zo an ka kai kunce zamanin sadutu da an sai mutu ya diba gani sai sa na zamani albert ferrat da na na mize na suna ko da an ka kai sai shi kun ce ya dibi wancan takobi ya dibi wanga sai ce to wanga da yi wanga takobi na galgajiya na sarakuna na da shi zai rika yin takobi na kokowa ina yi ina taba ina aja kan lokaci shi kai abinda duniya kamata in kara ciki ne kuma sai na kara shi dan duk shekara sai na canza in ne na bana yanzu bana na yi takobi inda rayuwa na baɗi na yi shi sai ya na bara hakan fara shi tun farko shekara nawa C'était Issa Hamid, un artisan forgeron créateur du sable national, le trophée du championnat de la Ligue traditionnelle du Niger. Il était au micro de Asman Aboubakar. Passons à présent euh, à la page du sport avec Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour. Alors, à moment-là, la Super League de football se poursuit surtout à l'étendue du territoire national. Ce vendredi, on entame la 9e journée. Et eh oui, la 9e journée débute donc euh, demain 5 janvier à Niamey et au, ainsi que, région. Donc, il y aura trois rencontres au programme pour euh, demain. Vendredi, il y aura Renaissance AS Police et Zumunta affronte la Nigelec à Niamey. Puis une autre rencontre à Tawa avec euh, le match de Jeunesse Sportive de Tawa et Espoir de Zender. Pour le week-end, il est programmé 5 euh, rencontres, dont 4 le samedi et 1 le dimanche. D'ailleurs, matin, nous allons parler des compétitions à l'internat organisées par la FENIFOOT. En effet, chaque année, la Fédération nigérienne de football organise des compétitions afin de déterminer des champions ou encore pour le classement des clubs. À ce propos, je vous propose d'écouter Lawali Garba, membre de la commission compétition de la fédération, pour plus de détails. Nous avons trois paliers de compétition, la Super League, la Ligue nationale et la Ligue régionale. La Super League, c'est destiné à l'élite nationale. 17 clubs compétissent entre eux pour déterminer le champion national en une poule unique. Et le champion représente le Niger en compétition africaine, la Ligue des champions. Le deuxième palier, la Ligue nationale, composée de 20 clubs répartis en deux poules, compétissent en aller et retour. Le classement détermine au niveau de chaque poule le premier jusqu'au dixième. Donc les deux premiers, c'est-à-dire le premier de la poule A et le premier de la poule B, vont se rencontrer pour déterminer le champion de la Ligue nationale. La Ligue régionale, il s'agit d'une compétition qui se déroule en deux phases. La première phase, la latitude est laissée aux différentes associations régionales d'organiser leur championnat pour déterminer le champion régional. La deuxième phase, c'est un regroupement qui est fait avec les huit champions régionaux pour déterminer ici le champion. En dehors de ces trois paliers qui font la distinction entre les niveaux, il y a une compétition qui regroupe tous les affiliés de la Fédération nigérienne de football qu'on appelle Coupe nationale. Et ça se joue en deux phases, les phases régionales, pour déterminer un seul vainqueur. Et ce vainqueur, c'est lui qui va représenter le Niger en compétition africaine, c'est-à-dire Coupe de la Confédération, ça s'appelle. Eh bien, donc, euh, c'est tout pour euh, cette page sport d'aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques instants pour la rubrique culture linguistique en français Fulfulde. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Soumana. Merci. pour ces informations sportives. Il est 11h, passé de 41 minutes. Mariam, c'est l'heure de découvrir notre star du jour. Et eh oui, aujourd'hui, nous restons dans la région d'Agadez, mais cap sur Arlit pour découvrir Salamotou Diermalme, une veuve en situation d'handicap. Malgré sa mobilité réduite, Salamoto n'est pas restée en marge de la vie active. Elle mène son activité commerciale depuis environ une vingtaine d'années à Arleta. Notre correspondant Gung Mohamed Dantani est parti à sa rencontre. salamatu gaya ya halin Allah ya saki ciki maimakon ki rungume hannuwa ko kina bi gida gida kina wani barace barace kin shiga kasuwanci tun yaushe kika fara wannan anan birnin Arlit a lokacin da na fara kasuwanci nan birnin alitin demil daga tebur da na fara kasuwanci kaɗan kaɗan kaɗan na kuma ina sai da ba zan saboda ni so in yi bara a tsangwame ni a kyare ni a mini wulakanci dan haka ni babu na kasashe sai ragu na mai da kaina jarma cikin na kasassu ci garan da buɗa da kaina da ƙarfi na Allah ya taimaka mana kare ni a cikin wannan sana'ar amfani ne kika samu wallahi na samu amfani da yawa tunda na yi gida ina riƙe marayu biyu na yi komi cikin sana'a ga alhamdulillah na gode ma Allah kamar wani irin kira za ki ma sauran na nakasassu wanda ba su kama jikinsu suna shiga wani barace-barace kira da zani ma nakasassu wallahi su kama jikinsu su bar barace-barace na barace-barace saboda ba wani unwani ba ne ba wani abin daɗi ba wannan bara su zo su kama sana'a kayayyakin da kike saidawa a nan kike sayan su a ko kuma oda ne kike alhamdulillah wa an ga kada nan garin nake sayan su amma yanzu oda ne nake daga wani gari a kama ni in yi koman da aiko min amina an buwa aiko min kana duk wani shekaru ne daga arlit ne na amma yanzu kawo min ne ake an buwa ne aiki mini yanzu a kamini in na miliyan guda nake so a kamini in na shika ɗari biyar in na ɗari uku duka halin yanda Allah wani shi haka ne ake kamini wala kuma alhamdulillah na gode ma 'yan kasuwa na arlita na gode ma 'yan kasuwa na ko ina da ko ina ba mu na kasashe sai ragu. a cikin wanga sana'ar kin samu wani tallafi daga ta kungiya mai hannu da shuni a'a ban ta samu tallafi daga kowa ba wallahi tallafi daga ubangiji nan da kama min babu mai hannu da shunin da zo tallafa min ya taimaka min babu shi ni ina so mere zo ga cikin halin da nake saboda zuciya ta na kashe ba ni babu na kasashe sai rago kullun gai nake yi duk in kaga mutun ya ce na kasashe ne to shi yasa kanshi zama na kasashe mu da nake daidai gwargwado ni alhamdulillah kuma na gode ma Allah ina neman tallafi ga magabatan mu su taimaka mini su kama min goyon baya ɗari bisa ɗari su kan harkar sana'a ga nake in bunƙasa wata rana shago ma za ni buɗa insha Allah. Voilà, c'était Salamatu, une, euh, une dame qui mène ses activités commerciales depuis environ une vingtaine d'années à Arlit, au micro de Gung Mohamed Ansani. Dernier tour, euh, dernier tour musical, Mariam, euh, qu'est-ce que tu nous proposes je vous propose de Barakina featuring avec Ismoan. qui t'aime, Pour l'autre des beaux capotés ma reine. Non, ne me refusez pas ta main. Y'a que des beaux qui réveillent ma folie. Elle est mon soleil de mes nuits. Quand je la vois, mon cœur s'affaiblit. Woman, woman. Beauté africaine la plus jolie. Des beaux est trop polis, mais pour me saluer, elle s'accroupit. et elle est baka baka, mais comme le robot. Coco ma fara fara, mais comme de yo baka baka mai kamar roboto yaro ba zai iya wa afirka woman na gaida ku wani woman woman woman woman african woman pas la peine ils te veulent tous mais c'est moi qui t'aime pour l'autre des beaux non ne me refusez pas ta main ton élégance me met en transe. Ton beau sourire me donne de l'espoir. Tu es une femme de valeur, t'as des principes. le de son ne te laisse pas faire. Courageuse et indépendante. Crois-moi, t'as beaucoup de qualités. L'ambiance est joviale, le cadre est idéal to la peine. te veulent tous, mais c'est moi qui t'aime. Pour l'autre, ma Non, ne me refusez pas ta main. Woman. Woman. African woman. Pas la peine. te veulent tous, mais c'est moi qui t'aime l'autre pour beaux ma marraines. Non, ne me refusez pas ta main. Barakina, Allah. Kina featuring avec Isouane Rekia son place maintenant à la chronique Loti et ça parle des enfants et la télé. Une histoire d'amour, je te dit. <laughs> oui, Mariam, la télévision est l'un des passe-temps préférés des enfants. Cependant, les parents doivent contrôler le programme visionné par leur, leurs enfants. Surtout, il ne faut pas les laisser devant l'écran toute la journée, n'est-ce pas, Salamat Kadri et Nafissa Adam. Affairage. Affairage. Affairage. Affairage. Hey Samira, éteins cette télé vite. Tu passes ta vie assise devant cet appareil matin, midi et soir. à Awasa. Salam alaikum. Hey Mamou, qu'est-ce qu'il y a Tu cries sur l'enfant là, on t'entend depuis le portail. Ou bien tu parles aux gens du ciel Ne m'en fais pas, Bouli. Mes enfants vont me tuer un jour. Ils sont tout le temps devant la télévision. Souvent, ils ne mangent même pas. Regarde comment Samira a maigri. On dirait une malnutrie. Jam, ma copine, les enfants d'aujourd'hui, je te le dis, sont tous les mêmes, Accro à la télé même pour les envoyer sur le tablier. Tant que tu ne leur arraches pas la télécommande ou arrêtez carrément la télévision, Wallah, ils ne vont pas t'entendre. Eh ma chérie, prends garde fa, parce que les effets de la télé sont très néfastes pour la santé, surtout sur le développement du très jeune enfant. N'est-ce pas Donc, ça peut rendre sourd ou aveugle. Hum, ma chérie, ne va pas trop vite en besoin. Selon les experts, il impacte négativement le développement, mais sur le langage et l'intelligence de l'enfant de moins de 3 ans. Bouli, que me dis-tu là oui, maman, et ce n'est pas fini. Pour les jeunes, trop de télé pourrait conduire tes enfants à adopter un comportement antisocial, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler, ils ne joueront pas avec leurs camarades, ni échanger avec leurs parents. Et même dans les études, ils seront distraits. Leur seul souci, c'est de ne pas rater leur programme télé. Tu dois avoir raison, hein, parce que Samira a à peine eu la moine au premier trimestre. Je me demandais ce qui n'allait pas. Mhm. toi là, Apparemment, c'est même toi qui as poussé ton enfant à être accro à la télé. Il faut lui accorder plus de temps, papoter entre filles. Ah ah Donc, c'est un gros problème. Moi qui pensais que la télévision lui permet d'être en avance sur ses camarades, souvent elle me parle avec des mots fort fort là en français. Moi-même n'y <laughs> comprends rien. Oh. Mhm, mamou, tu l'as constaté de toi-même, donc agis vite. Je te dis, une fois j'ai éteint la télévision et mon fils Ismaël est rentré dans une colère noire. Pendant qu'il piquait sa crise, son oncle qui est psychiatre là est passé chez nous et il m'a donné de bons conseils. Mhm. Maintenant, les enfants sont plus vivants, plus épanouis. Je te dis, ils cassent même les vitres de ma bibliothèque avec leurs maudits ballons. <laughs> Comment tu as fait alors Explique ma copine. Voilà, c'est maintenant que tu poses la bonne question. Au lieu de la laisser tout le temps assise devant la télé, inscris-la pour faire un sport qu'elle apprécie par exemple. Cela lui permettra de développer son esprit et sera en bonne santé. Hey maman, tu as la solution et tu me laisses crier tous les jours comme ça. J'allais faire une crise cardiaque un jour, wallahi. Mais est-ce qu'elle va m'écouter même Maman, il faut que tu tapes du poing sur la table. Pas de la télévision avant trois ans et même après ce âge, c'est à toi de choisir le programme et la tranche horaire, pas plus de deux heures de temps, je te dis. Il faut surtout respecter le logo signalant l'âge minimal pour le visionnage. Il est situé en bas, à gauche de l'image. Et dans ce cas-ci, hein, tu peux utiliser un code avec la télécommande pour activer le contrôle parental. Ah oui, les moins de 10 ans, moins de 12 ans que je vois sur les films. Je me à quoi ça sert. Oui, oui, et il y a même les moins de 16 ans, les moins de 18 ans. Mais on n'en est pas encore là, hein. Le moment viendra. <laughs> Eh, eh, je comprends, ma chérie. Donc, si je comprends bien, je dois aussi la surveiller sur Internet. Voilà, maman, tu as tout compris. Je dirais pas que Sammy va l'accepter de tout de suite, hein. Mais ne cède pas à ses caprices de petite fille pourrie gâtée. Bouli, tu m'as sauvé la vie. Dès aujourd'hui, je vais prendre ce problème à bras le corps Merci les filles pour ces conseils. Pour la culture linguistique, Asmana Amadou nous revient avec le mot du jour honneur en langue fulfulde et sur le mot de cette semaine. Oui, effectivement, honneur est un ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. En termes littéraires, l'honneur, c'est tout simplement une fierté. Depuis les événements du 26 juillet 2023, eh bien, le mot honneur revient dans le langage des citoyens, surtout avec euh, le nouvel hymne national de, du Niger intitulé L'honneur de, de, la patrie. patrie. <laughs> voilà. Donc, vous allez, vous allez continuer en full full. De... <laughs> Ah, voilà, il faut continuer. Il faut <laughs> okay, d'accord, merci. Merci comme euh, ma cousine Beri Beri. voilà, donc, enen euh, jiɗi kaalen Hala, ko wiyete teddende, teddinde hoore muɗum. ɗum on teddende kulle fof ko hawrto ko neɗɗo heɓa allah hokki ɗum ka e hoore mum ene himɓe hokki ɗum gadan nan tawe hoƴata fu laawol na wadde gollal ko bonnotedene muɗum nde kañum jeewi e teddene nde nenene kay du teddene neɗɗo kanni woni weltare neɗɗo e hoore mum sene en kooƴi ilu noga e jeego lewru jeedi ɗum e noga e tatɗo leydi niger satu fuu en nanan ɓiɓɓe leydi no mbiya teddinde hoore mum teddinde ko jeyi ɗum ɗo allah e ɗume allah e ilila leydi niger fiyama wi'ama du fahan nden Lady. Merci Soumana <laughs> pour ces éclaircissements, chers auditeurs, euh, auditrices. Si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en hausa, en zarma, en tamashek ou en fulfulde, n'hésitez pas de nous laisser un mot au 82 89 89 64. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum studio Kalangu ni sunana Isufa Garba Sani amma an fi sani na da Sony. Mu abin da za mu faɗa dangane da wannan shekara mai karewa baya wuce mu yi wa Allah godiya da maka ganta lafiya duk da ma irin kalubalen da ke tattare da ita muna godiya dai ayi halin haka kuma muna fatan ita shekara da muke dab da shiga ta kasance mana mai ɗumbin alheri wannan dai shine a takaice abin da zan iya faɗa dangane da wannan shekara da kuma shekara wadda muke tunkarar shiga Allah ta'ala ya ayyana mana dukkanin alheran da ke tattare da ita assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sunana zagabu mai makka mai dashi ni ma'abacin e sauraron studio kalangu ne wagga sabo shekara wannan dai mun ganta lahiya lau wannan sabo shekara mai wanzu ta iske mu mazan mu da matan mu da iyalin mu da magabatan mu eh ta zo mu cin koshin lahiya ina mata fata alkhairi Allah ba mu sa'a da rabu a cikin ta sunana Umar Ibrahim nan tasawa To, kasan ita aka ce kowane lokaci yana zawa da irin nashi 'yan matsaltsalu za mu iya cewa. To, mu dai a cikin karkara za mu iya ɗauka in ka ɗauka kaman abin da za mu fara ambatawa an ce da ruwan ciki akan sha na rijiya. Tahiyar damunan mu a mu dai nan wajejen mu eh, a jihar nan ta mu ta maradi da manan yankin ta sa ta dan zo da wasu yan tije-tije wanda kuma matsala ce wadda tana iya shafan mutanen karkara saboda shi da abinci ne kowa yake alfahari da shi to wajen wannan saboda Allah waga shekara ta 2023 da take ban kwana ko da ta yi ban kwana ta dan zo da wannan eh, shekara mai ban kwana ta dan zo da shi shine an samu ragewa wasu abubuwan da za a iya cewa kamar na tashe-tashen hankula eh, fatan da muke yi dai eh, magabata su dibi al'ummarmu na karkara da idanun rahama ta huskar abinci da yake da karamci a cikin al'umma wannan shine fatan da mu muke yi a cikin waga shekara ta 2024 da take kamawa Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, nous avons adoré passer 60 minutes encore en votre compagnie. Espérons que vous avez également apprécié. Je suis Maria Madé. Avec moi, c'était Rekia Arimi. La technique était assurée par Mustafa Ayuba et l'édition par Adama Dawaki. Prochain rendez-vous demain quand il sera 11h à Niamey. Chers auditeurs, n'oubliez pas de suivre le journal quotidien en cinq langues à partir de 17h sur les ondes de nos radios partenaires et sur notre site www.studiokalangu.org. Je vous donne rendez-vous le week-end pour l'actu des jeunes Et moi, je serai avec vous pour le Français l'état magique. Excellente journée à vous. Excellente journée à vous. Il est temps, il est l'heure, on page pour 2024. 2024.